Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum du studio Kalangou écouter écoutez via notre réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger, la pandémie de la COVID-19 au Niger, quelle est la situation de la riposte C'est le thème du forum de ce jour. Depuis la mi-décembre 2019 est apparue en Chine, plus précisément à Wuhan, la maladie du coronavirus COVID-19, une maladie qui s'est très vite propagée dans le monde entier. Le Niger a enregistré son premier cas de COVID-19 le 19 mars 2020. À la date du 31 mai 2022, le pays a enregistré au total plus de 9000 cas déclarés positifs, dont environ 8720 guéris 20 cas actifs et 310 décès liés à cette maladie. Mais depuis le premier cas dans le pays, des mesures de santé publique ont été prises par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette maladie, dont les gestes barrières et la vaccination. Cependant, au vu de la baisse de la tendance épidémiologique de la COVID-19 dans le pays, le gouvernement a annoncé en mars et en avril 2020, autant pour moi, l'allègement de certains restrictions de la prévention contre la pandémie relative à l'auto-isolement et le test PCR pour les voyageurs. Alors, à la date d'aujourd'hui, comment se présente la situation de cette maladie au Niger Où en est-on en matière de riposte contre la maladie et quelles sont les avancées enregistrées Peut-on parler d'éradication au vu de la situation actuelle de cette maladie dans le monde entier Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons dans ce studio Madame Dejan Maria Mahamidou. Elle représente la direction des immunisations au ministère de la Santé publique. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Nous recevons Monsieur Halarou Chebou de la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Jibo Sayo Formo, il est le secrétaire général de l'Association des jeunes médecins du Niger. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Monsieur Samel Mamadou, il est le secrétaire général du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé Roassen. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Je suis Nafisa Adam Sirfou à la modération. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de studio Kalangou, merci d'être avec nous et bienvenue. Cela fait donc deux ans que la COVID-19 a fait son apparition ici au Niger. Pour rappel, le premier cas a déclaré a d'abord été signalé à Niamey, puis d'autres cas ont été enregistrés euh, en région. Alors, je commence par vous, M. Euh, Monsieur Halarou, euh, de la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies. Pouvez-vous un peu euh, revenir sur l'apparition de la COVID-19 ici au Niger Merci madame. Euh, euh, tout d'abord, avant de commencer, nous tenons sincèrement au ministère de la Santé publique de remercier le studio Kalangou pour tous les efforts qu'il est en train de faire. Il est en train de courir de nous et avec les autres aussi collègues des médias qui font tout pour informer l'opinion publique nigérienne. Merci beaucoup en tout cas. Donc euh, en revenant à la situation, à l'apparition de euh, l'épidémie de la COVID-19, il vous souviendra qu'on a eu le premier cas au Niger le 19 mars, comme vous l'avez souligné. Oui, oui. Mais avant le 19 mars déjà, euh, lorsque l'alerte a été donnée au niveau mondial, on savait que c'est une maladie qui se propage vite. Et déjà avant le 19 mars, on a pris des dispositions comme les autres pays de la sous-région. Entre autres dispositions qu'on a prises parce qu'on savait que c'est une pandémie, vu la propagation. elle allait arriver, vu la propagation vite. Et puis les germes étaient connus. Mhm. comme les temps les, les, certains le prétendent, ce n'est pas un germe qui n'est pas connu. Mhm. La famille de coronavirus, c'est une famille de virus qui est connue. Mhm. Et je, il vous souviendra aussi qu'en 2014 déjà, on a eu face à un milliard de coronavirus où lorsque les, nos sont partis, on craignait l'arrivée au Niger et on a fait tout un comité comme celui-là mhm. pour y faire face. avant de venir à, ces mesures prises par les autorités, pouvez-vous un peu euh, rappeler un peu cette maladie de la COVID-19, comment elle se présente C'est un coronavirus qui est connu, comme je vous l'ai dit, et le Covid-19, c'est la famille de coronavirus qui sont connus et ce sont des maladies qui se manifestent par une forte température, mhm. effectivement, et, un rhume, comme les gens le disent, mais qui, s'éternise. Mhm. Ce n'est pas comme un rhume connu. Et finalement, ça, ça aboutit à une difficulté respiratoire. Et voilà toute la différence avec les autres rhumes. Ça aboutit à une difficulté respiratoire qui, si on ne prend pas garde, le malade peut s'étouffer simplement. Donc voilà en général les, complications. Mm-hmm. Et ça se complique plus lui généralement, c'est les personnes qui, sont, qui ont d'autres d'autres maladies comme l'asthme, euh, comme l'hypertension artérielle et voilà. C'est ça on appelle les antécédents, ceux mm, qui ont, des, antécédents. Mm-hmm. et, les personnes âgées. Mm-hmm, donc voilà en résumé ce qu'on peut dire. Mais aujourd'hui, euh, après deux ans de, de, de, de vécu de Covid-19, euh, au Niger, on peut, euh, tout le monde, tout le monde sait ces signes-là. Mm-hmm. Donc, mais on insiste sur la complication. Et c'est ce qui a fait peur au tout début. Et c'est ce qui a fait que tous les dirigeants au niveau du monde, chacun dans son pays, on a pris une petite cause terrible et on a commencé à mettre des mesures drastiques. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au Niger, comme je vous le disais Comment se présente la riposte euh, La riposte. Comment on a organisé la riposte avant que d'abord Covid arrive C'est ce que j'allais vous dire. On a mis des comités. On a mis des comités pas au plus simple, euh, au, plus, euh, au niveau de la santé publique seulement, mais on a mis d'abord un comité interministériel présidé par le Premier ministre et qui comprend tous les ministres et qui, euh, à chaque fois, il y aura un comité technique qui vient lui fait le compte rendu. Alors, je commence par ce comité ministériel. Il contient quoi Il contient quatre niveaux de réflexion. Donc, il y a un comité des experts c'est-à-dire que c'est un comité où il y a les chercheurs de l'université, il y a tous ceux qui sont, peuvent donner un avis technique afin de prendre des décisions. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'on appelle le comité d'experts. Donc, ce comité interministériel, dans le premier, euh, la première sous-commission qu'il contient, c'est cette commission des experts. Mm-hmm. la deuxième sous-commission qu'il comprend, c'est la commission, le, comité consultatif. Mm-hmm il vous souviendra qu'on a pris certaines mesures et on vous a, on a parlé à l'opinion qu'on a fait ça avec euh, les, religieux, avec les, quand on dit religieux, il y a les musulmans, il y a les chrétiens et tout mhm. là-dedans. Donc c'est ce comité qu'on a le comité consultatif. Il est sous le comité interministériel. Mhm. Deuxièmement, on est venu comme on, s'attendait à une lutte. Avec tout ce qu'on a entendu dans le pays, on a mis une, commission communication dans ce comité interministériel eh, qui est directement géré au niveau de la présidence mhm. eh, pour gérer tous les aspects institutionnels. Mhm. Ensuite, il y a un secrétariat. Donc voilà les quatre euh, structures, commissions. Non, non, du comité interministériel. Tout ça, là, c'est le comité interministériel. Maintenant, à côté, le comité qui organise la lutte même. C'est ce qu'on appelle le comité technique. Il est coordonné par le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Mm-hmm. Lui, il y a sept organes. Le premier organe, c'est eux, la mm-hmm. coordination. Mm-hmm. La coordination, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé publique, c'est multisectoriel. Voilà. Dont les, ONG, les autres ministères euh, sectoriels et puis le ministère de la Santé publique. Donc, ça, c'est la coordination. Et la coordination, elle coordonne quoi elle coordonne six commissions. Il faut bien suivre, six commissions. Mhm. Chacune de ces commissions a une mission précise. La première commission, c'est la commission riposte. Comme vous avez dit, on va venir parler de la riposte, <laughs> contre, l'épidémie. Donc, c'est la première commission. Mhm. Quel est son rôle Son rôle, principalement, comme c'est la commission riposte, c'est elle qui suit et qui suit et qui tracte tous les contacts Supposons qu'il y a un malade X qui arrive à l'aéroport. On dit que ce malade, il est, arrivé, il, est, là, il est déclaré. en ce temps-là, vous avez suivi tous les gens qu'on a mis en confinement. Avec lesquels il a été en contact. Voilà, donc ça, c'est la commission riposte, entre autres, mhm. qui suit ces cas et qui les identifie pour savoir qu'ils sont en contact. Donc, il faut prendre des dispositions. Mhm. Donc, au tout début, c'était le confinement avant d'arriver au soin. Mhm. Ensuite, il y a la commission de surveillance. La surveillance, c'est tout simplement la commission qui, elle, est le premier contact qui dit ce qui s'est passé il y a la commission logistique. Logistique, c'est tout ce que vous avez comme moyen de lutte, comme moyen roulant, comme moyen technique qui, mhm. doivent être mis en place. Il vous souviendra quand on a mis les trucs en place, on disait que le Niger, euh, c'est une maladie de respiration et qu'on n'a aucun respirateur. Donc, il fallait mettre tous ces trucs en place. Mhm, mhm, il y a la commission prise en charge il y a la commission changement social et comportemental que nous sommes membres, il y a la commission laboratoire. Donc voilà les six conditions. commissions. Si on peut le comprendre, le Niger vraiment a pris des dispositions vraiment très tôt pour faire face à cette maladie. Très tôt, on a mis ce comité. Et, à la date d'aujourd'hui, euh, comment se présente la riposte même à la date d'aujourd'hui À la date d'aujourd'hui, la riposte, c'est d'abord le nombre de cas où nous sommes arrivés. Mhm. Vous l'avez rappelé déjà. Euh, à la date d'aujourd'hui, nous, à la date d'hier, à la nous avons 9050 euh, personnes mhm. qui ont été atteintes du Covid-19 mhm. et parmi lesquelles 8720 sont guéris. guéris. Ce guéris là, c'est pas le fruit de quelqu'un d'autre, c'est le fruit de tout le monde. Mm. Parce qu'il faut d'abord déclarer à temps, il faut sensibiliser pour que les gens arrivent et qu'ils soient soignés, il faut que les gens aient, dépassent la peur, parce que certains ont la psychose. Et tant qu'on a la psychose, on refuse de venir se déclarer, mm. et puis bon, on fait sa maladie à la maison. Mais Dieu merci, donc on a eu ces, chiffres-là, et à la date d'hier, nous avons 310 personnes décédées. Ok. Est-ce que toutes euh, les mesures de riposte qui ont été prises en amont, en amont euh, existent toujours à la date d'aujourd'hui euh, oui, oui et non. les, premières mesures qu'on a prises, bon, qui ont été décrites, vous savez bien, c'est le confinement. Le confinement a été allégé. Mhm. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qu'on confine. Mhm. on a passé du confinement. Oui, l'auto-isolement. voilà, auto-isolement. voilà, auto-isolement. On a passé de l'auto-isolement direct à l'auto-isolement même chez soi. Mhm, mhm. Parce qu'on a pensé, et à un moment donné, on a vu que l'évolution, les gens ont, compris les maladies et mhm. certains s'isolent chez eux. Donc, euh, l'isolement, Ensuite, avec l'avènement de la vaccination, euh, le taux de contamination n'est plus le même. La charge de la contamination n'étant plus la même, donc il y a des mesures qui sont allégées. Avant, on ne peut pas être dans cette salle sans pour autant mettre des, barbettes. Mais aujourd'hui que, nous sommes vaccinés, je pense que tu es vacciné. Mm. <laughs> <laughs> Donc aujourd'hui, aujourd'hui qu'on est vacciné, mm-hmm. on pense que justement la, charge et de, de, la contention est moindre. Ça, un, deuxièmement, mm-hmm. avec le nombre de, de, personnes qui ont fait, qui ont fait la maladie, et sans pourtant, certains ont fait la maladie sans pourtant le savoir. Mhm. Parce que les chiffres qu'on a de façon clinique, c'est que 80% peuvent faire la maladie sans, pourtant autant, le, savoir. Voilà, donc ce qui fait qu'on a développé une immunité mhm. entre nous. Qui, certains peuvent faire la maladie sans pourtant le savoir. Mhm. Nous allons donc revenir vers vous, Monsieur Halerou, le temps de donner la parole aux, aux, autres invités. Et tout comme le ministère, différents acteurs se sont mobilisés très tôt dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 ici au Niger, comme par exemple euh, l'Association des jeunes médecins du Niger. Euh, nous avons docteur euh, Sayo qui est présent. alors, docteur, quelle est la contribution, ou bien quelle a été la contribution des jeunes médecins dans la lutte contre la COVID-19 ici au Niger, de l'apparition aujourd'hui eh, Merci. Je profite vraiment de cette occasion pour remercier le studio qui nous a donné cette opportunité mhm. vraiment de venir à en fait, euh, expliquer ce que l'association des jeunes médecins a à faire. Mm. Vous savez, c'est comme euh, en temps de guerre. <laughs> Euh, Quand un pays est en guerre, mm. n'est-ce pas, toute la population doit se mobiliser. Aujourd'hui, le Niger en, en insécurité, vous voyez, c'est les forces de défense qui s'activent pour aller sur le terrain. Donc quand il y a une épidémie, donc c'est les blouses blanches aussi qui doivent s'activer pour aller combattre, n'est-ce pas, et, cette euh, épidémie mhm. et au-delà même euh, une, pandémie. Mhm. Au tout début, ça n'a pas été facile. Vous savez, et nous, on l'appelle même le virus du siècle. Mhm. Ça fait vraiment des siècles qu'on n'a jamais eu une pandémie qui a ravagé le monde actuel. Donc, euh, ça a été difficile parce que quand ça a commencé, on a fait appel à tous les jeunes médecins parce qu'on sait que le Niger a un problème de ressources humaines. Et les agents qu'on a sur le terrain, eux, à eux ils ne peuvent pas vraiment mener le combat. Donc, nous nous sommes euh, activés. activés. Mhm. On a pris attache avec le ministère de la Santé pour leur dire que, bon, voilà, nous avons mobilisé des jeunes médecins qui sont prêts à aller sur le terrain volontairement. Le début a été difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que, avec les échos qu'on avait, n'est-ce pas, dans les autres pays. Chaque fois, on nous balance 2000 euh, décès, etc. Donc, mhm. les agents de santé ont eu peur, mais il le fallait. Parce que si aujourd'hui, étant agent de santé, tu refuses d'aller sur le terrain, le jour où un membre de ta famille va tomber malade, euh, ils vont l'amener à l'hôpital. Mais là-bas, là, un c'est notre agent de santé qui va le prendre en charge. Donc, d'où, au début, on avait, voulu, on a voulu vraiment mobiliser autant. Mais ça a été difficile parce que quand tu t'engages, c'est même ta famille qui va t'appeler pour te dire Hey, <laughs> un tel. En fait, <laughs> il ne faut pas aller sur le terrain parce qu'en réalité, eux-mêmes, ils ont peur que tu sois sur le terrain et revenir à la maison les contaminer. Mhm, mhm. Mais quand on a commencé, on était 10 au début. À l'espace de deux semaines, on a eu à mobiliser 150 médecins et on a eu à travailler avec euh, le ministère. Et parce que dans tous les centres au niveau de la région de Niamey, il y, a des structures de prise en charge, tel que l'hôpital de référence de Niamey, où les malades sont hospitalisés. Mm. Tous les centres de prise en charge, c'était vraiment les jeunes médecins qui étaient, n'est-ce pas, mobilisés. Mm. Donc on prenait les, patients. Et quand on prend au niveau de l'hôpital de, euh, de, référence, il y avait quatre services. Mm. Et ces quatre services-là, nous avons des jeunes médecins qui font les permanences et les gardes. Donc il y a deux qui font les permanences et deux qui font les gardes. Et en dehors de l'hôpital national, il y a aussi, et de l'hôpital de référence, il y a aussi l'hôpital national de Niamey, mhm. où on a envoyé à peu près 10 médecins n'est-ce pas, au niveau de, comment, des services infectieux mhm. qui prenaient en charge aussi des cas. Mhm. Au niveau de, du stade général Sénoukounché, le ministère a créé un, centre là-bas. Donc là, on a envoyé à peu près une quarantaine de médecins, n'est-ce pas, pour la prise en charge des médecins. Maintenant, au début, quand ça, a, quand ça a commencé, on n'a pas suffisamment. Le nombre de lits était limité. Donc, la capacité d'accueil des patients était, vraiment limitée. Donc, le ministère était obligé, en collaboration avec le, service de prise en charge, de voir, n'est-ce pas, la possibilité de, confiner les malades chez eux. Mhm. Donc, quand un malade est diagnostiqué COVID-19, il est, on, part chez lui pour voir si on peut avoir au moins une chambre où on peut l'isoler si ce patient est isolé, maintenant, chaque jour, nous avons des équipes mobiles, donc qui sont au nombre de 10, mhm. avec des véhicules qui vont, n'est-ce pas, chez ces patients-là pour les prendre en charge. Hmm. Donc, quand ils vont partir là-bas, ils vont prendre les constantes. On regarde si le, malien le patient a bien pris ses produits. Hmm. Donc, voilà ce qu'on a eu à faire. Hmm. Tous ces, les patients à Niamey qui étaient vraiment isolés chez eux ou bien dans les centres, c'était vraiment les jeunes médecins vraiment qui les ont pris en charge. Et à la date d'aujourd'hui, est-ce que toutes euh, ces actions sont euh, oui, et au début, c'était le début, de, les gens étaient vraiment inquiets, mais avec mm-hmm. l'évolution, vous voyez, même les comités ont été, ont été dissous. C'est parce qu'on a compris qu'en réalité, et la Covid est devenue comme, une, les, comme les, malades, les autres maladies, donc mm-hmm. il n'y a aucune inquiétude. Et, et, je pense que maintenant, et les, avec la vaccination, on a commencé vraiment à circonscrire mm. vraiment la dangerosité de cette maladie. Merci. Alors, euh, Samaïla Mamadou, euh, le regroupement des, ONG et associations du secteur de la santé, de votre côté, comment vous avez euh, pris part ou bien comment vous avez abordé cette question de la maladie, de l'apparition à aujourd'hui D'accord, merci pour cette opportunité de nous exprimer sur les zones de Kalangou. Mm-hmm et qui est un partenaire euh, de taille. Et donc le regroupement des ONG associations du secteur de la santé du Niger, de Roissens, donc euh, dès la première apparition donc de cette pandémie, donc a eu à internaliser d'abord les directives qui ont été édictées par le ministère de la Santé, puisqu'il faut le rappeler, c'est un regroupement qui travaille euh, main dans la main avec le ministère. Mm-hmm. Et nous avons pour vocation euh, de coordonner un certain nombre de structures. Et qui parle de coordination parle d'information. Et il faut maîtriser l'information pour pouvoir euh, mieux la diffuser. Donc après cette internalisation, nous avons procédé à la vulgarisation de, ces directives, notamment à travers des interventions au niveau des médias. Mais nous avons également aussi enclenché une campagne que nous appelons euh, Stop Covid, une campagne de sensibilisation, euh, intégrée euh, qui visait à vulgariser ces différentes directives, mhm. notamment le lavage des mains. Donc cette campagne était intitulée Stop Covid et contre le coronavirus chez moi. Mhm. Et c'est une campagne que nous avons eu à initier avec l'accompagnement d'un partenaire, mhm. comme nous intervenons au niveau de la sous-région aussi avec euh, certaines structures. Et à travers cette campagne, nous avons eu à faire des démonstrations au niveau de certains villages aux alentours de Niamey pour montrer à la population les mesures qui ont été édictées, comment il faut les appliquer. Mm. Donc, euh, bien entendu, le lavage des mains, on n'apprend pas aux Nigériens à laver les mains, <laughs> mais c'est des mesures aussi euh, qui nécessitent en tout cas d'être mm. appliquées, mais aussi une certaine technicité. Mm. Parce que euh, la contagion qui se fait à travers euh, les mains qu'on se donne, il y a une façon de se laver les mains qui est mhm. différente de, celle, celle qu'on fait. Un temps qu'on prend pour se laver les mains, pas mhm. une pas uniquement se laver les mains comme on a l'habitude de le faire et puis ça passe. Donc, euh, au-delà de cette euh, campagne, nous avons également eu à mener deux campagnes à travers deux structures membres et où nous avons eu à intégrer donc euh, les aspects des mesures barrières, mais également les aspects de sensibilisation. Mm. Parce que ce qui avait manqué au début, c'était surtout cette approche euh, communautaire de la mm. sensibilisation. Mm-hmm. Parce Puisque si vous prenez le cas de la lutte contre le sida, et euh, tout comme le palu, il y a l'approche de proximité. Il faut aller vers la population pour lui expliquer et lui donner l'opportunité de poser des questions et avoir des réponses. justement, est-ce que vous pensez que vos actions, euh, vos sensibilisations, vos séances de sensibilisation vraiment ont permis à la population de changer de mentalité Parce qu'on sait que bon nombre de populations étaient sceptiques face à, à l'existence même de cette maladie. Oui. Euh, dans, en matière de sensibilisation, il y a toujours euh, une certaine catégorie de population ou de groupes cibles qui sont toujours réfractaires mhm. à certaines informations. Donc, et tout comme euh, quand on sait s'y prendre en travaillant avec les acteurs qu'il faut, on arrive à avoir vraiment des résultats concrets mhm. par rapport à ces mesures. Et est-ce que le Seine euh, poursuit toujours ses activités en matière euh, de riposte vraiment à la date d'aujourd'hui Oui, à la date d'aujourd'hui, nous poursuivons toujours. Euh, vous savez, le monde des ONG est surtout, je dirais, conditionné par l'accès au financement. Mhm, mhm. C'est vrai qu'il y, a eu beaucoup, de financements dans le cadre de la lutte contre le Covid, mais la majorité de ces financements était surtout centré sur l'acquisition de certains matériels, comme euh, Aloraoui a vu le dire, mhm. qui, sont, euh, qui étaient primordiaux. Parce que pour pouvoir récupérer quelqu'un qui est contaminé, la première des choses, vraiment, quand la personne rentre en détresse respiratoire, il faut un mhm. respirateur, mhm. il faut également un agent qui peut manipuler cet appareil, mais qui peut suivre euh, le patient. Donc, nous avons eu vraiment à aller dans ce sens, mais également à chercher euh, des financements. Et l'intervention aussi du Roasen, c'est au niveau du Comité national technique de coordination. Mm-hmm. Parce que c'est quoi euh, l'apport de la société civile mm-hmm. C'est de voir ce qui est fait, qu'est-ce qui est mm-hmm. bien fait. Là où il y a des problèmes, nous, nous, nous intervenons pour dire que ça, Vraiment, si on le fait, ça ne va pas donner les résultats. Et justement, qu'est-ce que vous pensez euh, des mesures prises par les autorités Pensez-vous qu'elles sont, euh, qu'elles ont été efficaces, qu'elles sont efficaces Bon, euh, je dirais avec le recul, mhm. vraiment, malgré que les gens ont, dans un tout premier temps, décrié même les, les mesures qui ont été prises, le mhm. confinement, mhm. moi je me dis qu'avec le recul, vraiment, c'est ce qui a permis au Niger d'échapper en tout cas en grande partie à cette pandémie. On regarde dans la sous-région le nombre de malades, le nombre de, le nombre même de morts, le nombre de morts. Et toutes ces mesures, si elles n'ont pas, si elles n'avaient pas été appliquées, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'on en serait. Des mesures de riposte, oui, rapidement. Oui, le temps de donner, madame, mmh. des gens pour c'est la vaccination. Mm-hmm. Juste, je reviens sur deux choses. Mm-hmm. Le comité, les, ne sont pas dissous. C'est juste le nombre de réunions qui ont été, qui ont été réduites. Mhm. Et jusqu'à, par degré, on va revenir au comité technique qui a réduit ce nombre de réunions. Mhm. et, finalement, on va ramener tout à la direction de la réponse aux épidémies mhm. pour continuer la lutte contre l'autre maladie. Il y a un texte qui a circulé où on a dit on a dissous le comité d'experts. Donc, le comité d'experts, comme je voulais, c'est pourquoi je l'ai souligné dès le début. Mhm. Le comité d'experts est un organe du comité interministériel. Même le comité interministériel n'est pas dissous. Donc, euh, Donc la population doit savoir que les comités existent toujours. Ils existent bel et bien. Sauf les rencontres, ce sont les ah, rencontres et autres qui sont, Mais non, non, lui, il a raison. Mhm. il y a un texte qui a circulé et qui, même au ministère de la Santé, certains pensent que le comité sont dissous. Mhm. C'est à l'intérieur du comité interministériel qu'il y a une note pour dire que le comité d'experts a, pris, fin de ses fonctions. Comme ce que n'a pas pris. Euh, Alors, Madame euh, déjà Mariama, de la direction des immunisations, vous avez entendu euh, vos prédécesseurs, les ONG, les jeunes médecins qui se sont mobilisés dans la lutte contre la propagation de cette maladie. quest -ce que, quelle appréciation vous faites d'abord de leur action Oh, merci Madame et je remercie aussi le studio Kalangu pour l'organisation de ce débat. Mm-hmm. Euh, je dirais que euh, c'est une bonne organisation qui a été faite, bien structurée. Tout le monde s'y est impliqué, de la société civile jusqu'aux jeunes médecins et au niveau aussi de la riposte aux épidémies, au niveau du ministère de la Santé. Vraiment, les gens s'y sont mis mm-hmm. et euh, les, les, actions là qui ont été faites ont permis vraiment de de canaliser et de réduire euh, le nombre de cas enregistrés par le Niger. Mhm. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, euh, la vaccination reste une arme puissante contre cette pandémie de la COVID-19. Vous, vous, représentez euh, la direction des immunisations. quels sont les vaccins qui ont été administrés aux Nigériens Parlez-nous des vaccins qui ont été administrés aux Nigériens. Merci, madame. à l'heure actuelle, le pays a eu à recevoir euh, le vaccin Sinopharm, qui est le premier vaccin que le pays a reçu mhm. et avec lequel on a commencé à vacciner. Mhm. Il y a eu euh, le vaccin AstraZeneca mhm. et le vaccin Johnson Johnson, qui a une dose, et le vaccin Pfizer. Donc, euh, donc les, les, les, vaccins, les autres vaccins en dehors de Johnson Johnson sont à deux doses, donc à intervalle de quatre semaines. Et à la date d'aujourd'hui, quel est le vaccin euh, qui continue d'être administré À l'heure actuelle, nous avons euh, le vaccin Sinopharm, le Johnson Johnson et le Pfizer. Est-ce qu'on peut euh, des chiffres à l'appui sur la campagne Parce qu'on sait qu'une campagne massive de vaccination aussi mm. a d'ailleurs été entreprise dans tout, le Niger. Parlez-nous de cette campagne. à l'heure actuelle, le pays a organisé cinq campagnes de vaccination et le pays est en préparation pour une sixième campagne bientôt. Mhm. Et euh, je peux Elle vous a donner... touché déjà combien effectivement. de personnes Et à l'heure actuelle, euh, le pays a eu à vacciner sur une cible de 18 ans et plus euh, de 10 743 mhm. personnes à vacciner. Donc, pour une première dose, il y a 20% qui ont été vaccinés, 20,54%. Mhm. Et toute dose confondue et vaccination terminée, le pays à 14,54% actuellement. Mhm. Et, pensez-vous que vraiment euh, sur le terrain, la population a vraiment adhéré à cette euh, initiative, cette campagne Bon, l'adhésion de la population, je dirais que oui, ils ont adhéré parce qu'on a mhm. eu des gens qui se sont fait vacciner, ils ont accepté. Et le chiffre le montre, on est, le Niger, il n'est pas parmi les derniers, il est en bonne position. Si on regarde euh, dans la sous-région, mhm. il est en bonne position. Je dirais qu'il est en bonne position comparativement aux autres pays euh, qui sont à moins de, 1%, même il y a des pays qui sont à moins de, 2, 1%. Mhm. et, à la date d'aujourd'hui, euh, la population continue de se faire vacciner Oui, on a les chiffres tous les jours. Donc, on a les données actuelles. Là, les données que je viens de vous donner, c'est au 31 mai. Et les gens continuent à se faire vacciner. Et euh, maintenant, avec euh, le H, donc les pèlerins aussi se font vacciner régulièrement parce que c'est un vaccin qui est, qui c'est une vaccination plutôt qui est exigée mhm. par l'Arabie saoudite. Donc il mhm. faut que les gens soient vaccinés contre la Covid pour s'y rendre. Et que dire vraiment à la population certaine population qui disent qu'il y a des effets, je ne sais pas, indésirables euh, après cette vaccination qui présentent quelques effets secondaires, si on peut l'aider. Bon, ce qu'il faut, ce qu'on va, qu'on peut leur dire, c'est que vraiment, c'est de voir autour d'eux tous ceux qui se sont fait vacciner jusqu'à jusqu'à ce jour, il n'y a rien qui leur est arrivé. Mhm. Nous, on est tous, on s'est fait vacciner dès, le, dès l'arrivée du, vaccin. Pourtant, on est là, on est bien portant, rien ne nous est arrivé. Mhm. Bon, je dirais que euh, vraiment, il faut qu'ils aillent, qu'ils adhèrent, qu'ils aillent se faire vacciner parce qu'ils vont, ils, en se vaccinant, ils se protègent et ils protègent leur, leur euh, entourage et leur communauté. Alors, euh, docteur Sayo, que dire vraiment sur les vaccins administrés, oui Effectivement. Bon, en fait, vous savez, et je l'ai dit, hein, le début de toute chose est difficile. Mhm. Quand vous prenez, même dans les années antérieures, même le VIH au début, les jeunes ne croyaient pas. Mhm. Vous voyez Et c'est quand maintenant la, le, le, patient arrive au stade maladie, c'est en ce moment-là qu'elle est vraiment elle est obligée de croire. Mhm. Donc, avec le temps, les gens vont finir par comprendre. Mais ce qui a, en fait, euh, ce qui a un peu en fait, à euh, tromper les gens, vous savez, il y en a des gens qui profitent toujours de certaines occasions pour intoxiquer. Et quand on parle de vaccination, dans ce contexte-là, on ne dit pas que quand tu es vacciné, c'est fini, tu ne vas plus faire la maladie. Mhm. Donc, vous voyez, il y a eu des cas n'est-ce pas, à l'échelle euh, mondiale, ou même des présidents qui se sont fait vacciner et qui ont fait, n'est-ce pas, une euh, deuxième infection. Et mm. du coup, les gens ont profité de ça pour attaquer, pour dire, vous voyez, non, ça veut dire que même quand tu fais le vaccin là, tu, hein, tu peux encore faire la maladie. Oh, mm-hmm. oh, quand on regarde, en fait, et le vaccin, ça évite de faire la, la, forme grave. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui tue C'est la forme grave qui tue. Quand vous prenez au Niger, et il n'y a aucun patient qui est là qui n'a aucune comorbidité. C'est-à-dire Une c'est-à-dire, c'est des patients qui ont une autre maladie chronique. Quand on prend par exemple tel que l'asthme, tel que le diabète, tel que l'hypertension, tel que, n'est-ce pas, la bronchopneumopathie mhm. chronique obstructive. Donc, c'est des maladies qui sont là. Quand le virus va venir se greffer, n'est-ce pas, à cette maladie-là, ça peut aggraver la situation et mhm. ça donne des maladies respiratoires qui peuvent aboutir au décès. Donc, mais quand une personne qui a ces maladies-là, ces vaccins, on a constaté qu'il fait juste, n'est-ce pas, la forme simple. Mm. Donc ça l'évite de faire, de, faire la, forme grave. Mm. Et quand on a constaté, depuis qu'on a commencé la, vaccination, la vaccination à l'échelle mondiale, mm. on a plus de cas de Covid, mais moins de cas, graves. Et du coup, ça a diminué, n'est-ce pas, la létalité de la maladie. Donc, cette vaccination, elle a son impact positif. Elle a son impact hein. positif. Là, aujourd'hui, avec les données, les gens sont, même ceux qui étaient sceptiques au début, sont en mhm. train de comprendre que, bon, voilà. Mhm. Donc, en fait, c'est ça. Il y a eu un problème de communication. Oui. Et surtout sur la vaccination, parce que en fait, les gens pensent que dès qu'ils étaient vaccinés, c'est fini, tu ne vas plus faire la maladie. D'ailleurs, euh, madame, euh, on va un peu revenir sur la procédure à suivre. Quelle est la procédure à suivre concernant la vaccination C'est étape par étape comment euh, se fait la vaccination En fait, comme je le disais tantôt, il y a des vaccins à une dose mhm. et des vaccins à deux doses. Donc les vaccins à deux doses, ce que je disais, c'était le, c'est le Sinopharm, l'AstraZeneca et euh, le Pfizer. Et c'est genre, on, le prend à l'intervalle de combien de mois L'intervalle de quatre semaines. Quatre semaines. oui. Mhm. D'accord. Alors, euh, monsieur euh, Mamadou Sameila, vous l'avez entendu, certaines personnes ont été vraiment sceptiques quant à la, la, la, vaccination, euh, la réticence. Selon vous, est-ce qu'elle n'a pas eu la bonne information euh, Qu'est-ce qui explique vraiment cette réticence selon vous Bon, euh, vous savez, comme ils l'ont dit, il y a la peur de l'inconnu. Mm-hmm. Ce qu'on ne connaît pas, on a peur de s'engager. Mm-hmm. Il faut d'abord attendre de voir quelqu'un, un cobaye, celui qui va se lancer le premier, <laughs> pour voir ce qui va lui arriver d'abord, avant que les autres ne suivent. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'intoxication. Mm-hmm. Et aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies, on a fait parler des experts mm-hmm. qui luttaient contre la Covid, qui, on a vu avec la nouvelle technologie, sont devenus des gens qui sont revenus pour mm-hmm. remettre en cause ou en question euh, cette vaccination mais en réalité, c'est il faut le voir comme en termes de guerre. Mhm. C'est des lobbies mhm. où, pour certains, on ne peut pas percevoir ce qu'il y a derrière. Mhm. Mais ce que nous, nous connaissons, c'est que quand il y a une rumeur, il faut chercher la, provenance, la, cause de la rumeur et pourquoi on a créé cette rumeur. Euh, ce qu'il faut faire comprendre aux gens, aujourd'hui, même pas les médicaments, le simple aliment, quand vous le prenez, il y a des aliments, quand vous les prenez, il y a toujours des effets. Mhm. Ça agit sur l'organisme, que ce soit en bien ou en mal, ça agit sur l'organisme. Et c'est ce qu'on devrait euh, comprendre. On a eu à conduire beaucoup de campagnes pour euh, euh, ou à mettre en place des stratégies pour combattre ces rumeurs. Mhm. Et parmi ces stratégies, on a vu la chefferie traditionnelle, on a vu les premières autorités se faire vacciner pour faire comprendre aux gens que L'État, là, il est là pour protéger, mhm. pas pour permettre à ceux qu'on tue la population ou euh, qu'on décime la population. Aucune raison de, s'alarmer. Aucune raison de s'alarmer. Le vaccin, quand il marche bien, normalement, la première injection, les effets, c'est-à-dire il y aura toujours des, manifestations. On va sentir comme tout autre. C'est ce qui mhm. prouve que réellement eh, le principe actif est en train d'agir dans le corps mhm. et qu'il y a une lutte entre nos anticorps et le, euh, le produit qui a été injecté, le dérivé, que ce soit le dérivé du virus ou tout autre produit. Merci. Alors, monsieur euh, Halarou, euh, au vu de la baisse de la tendance épidémiologique de cette maladie, euh, à la date d'hier même, je crois qu'on a pu enregistrer au moins 4 cas, je crois, de, malades atteints de cette maladie. Mm. Donc euh, la tendance est en baisse. Euh, peut-on parler, comptant vers la fin de cette maladie, est-ce que vraiment cette tendance peut être maintenue même <laughs> Nous attirons encore une fois l'attention <laughs> que la maladie n'est pas à sa fin. Mm-hmm. Ça, il faut que les gens l'internalisent et le comprennent. Voyez-vous, quand on a commencé à faire tout cette, cette au Niger, on n'avait qu'un cas. Aujourd'hui, il n'y a, pas une semaine où on ne, on ne pas au moins 10 cas mm-hmm. par semaine. Mm-hmm. Il n'y en a pas. Donc, il faut être très prudent. Et on, vous avez vu qu'il y a des changements, les, même les, virus même peut, muter mm-hmm. et donner des variants. Nous, nous sommes un pays qui est pauvre, dont les moyens de lutte, c'est pendant la COVID qu'on a connu ça et qu'on a commandé tout. Euh, il faut lui demander, lui qui a pris en charge les aspirateurs auparavant, quand ils sont partis à l'hôpital de référence, même l'hôpital de, référence, je crois qu'il y a deux ou trois aspirateurs. Et c'est après qu'on a commandé pour qu'ils. Donc, on, Et la maladie, elle est là tout le temps. Mhm. Je vous ai dit pourquoi on ne sent pas aujourd'hui la, euh, la vigueur de la maladie. Ce mhm. C'est que beaucoup ont fait la maladie d'abord, l'ont développé. développée. il y a eu une immunité en, hein, mhm. parmi nous. Beaucoup se sont fait vacciner. Donc ceux qui se sont fait vacciner, ils viennent de vous dire qu'effectivement ça réduit, même si on fait les trucs. Mais la maladie, elle reste, elle demeure. Mais euh, le, le, le, principe actif de n'importe quelle, quelle épidémie, c'est que les germes peuvent muter à tout moment. Et s'ils mutent, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer peut changer de, Lui aussi, il a une stratégie. Plus on le combat, plus il change. Donc, en changeant, il peut donner une autre forme qu'on ne connaît pas. Donc, pour le moment, respectons, nous ont toujours les mêmes appels restent. Mhm. Dès qu'on a un signe de, de Covid, de tout ce qu'on a décrit là, il faut tout simplement aller déclarer. On a la chance de faire covid Maintenant, je reviens à un seul élément, si vous me permettez. Pendant la lutte qui a fait que la population, euh, beaucoup ne sont pas, se sont pas adhérés, beaucoup ont hésité. Mhm c'est le fait qu'ils disent qu'on n'a on pas vu nous un malade de Covid. Lui, il est là, c'est un médecin. Est-ce que dans la déontologie des médecins, on permet tout simplement parce qu'on veut convaincre quelqu'un pour venir voir des malades qui eux sont couchés ça ne se permet pas. En fait, c'est la déontologie qui l'empêche. Mhm. On ne peut pas se permettre de prendre des gens pour aller voir des malades de Covid. C'est comme, comme des malades qu'on doit. Euh, en fait, un, un médecin ne peut jamais. isolement, donc ce ne sera pas facile. Déontologiquement, même si pas si j'ai la fièvre, je peux dire que je ne veux pas qu'on me voit. Donc, ça, au moins, il faut que les gens le comprennent. Mhm. Même si c'est une maladie qui va venir après, mhm, on ne va pas demander aux médecins de permettre d'aller voir les malades. Donc ça, c'est un éclaircissement pour euh, la population. Alors, je reviens <laughs> vers vous, madame, concernant cette vaccination. Est-ce qu'elle concerne tous les âges euh, La cible, c'est de 18 ans à plus. donc, tous ceux qui ont 18 ans à plus, donc, ils sont concernés par cette vaccination. Hmm. Et les sites sont là. Et en dehors de ces sites-là, même ceux qui voyagent à l'extérieur, s'ils le désirent, il y a des cartes numérisées qui sont, qui sont là, des dispositifs pour élaborer les cartes des numérisés sont là, donc si au besoin, donc ils peuvent aller, ils peuvent se rendre. Mhm. Et c'est au niveau de l'hôpital général de référence, au niveau du centre de santé gouvernemental, mhm. oui, et au niveau euh, troisième, c'est au niveau de Niamey 1. Mhm. Donc voilà. D'accord. Donc ce sont les sites euh, pour les vaccinations. Alors euh, quel appel à la population, docteur Sayo Formu, pour donc euh, l'appel euh, que j'ai à lancer à la population, mais avant ça, en fait, euh, et j'aimerais en fait apporter un élément. Mhm. Vous voyez, au tout début, on a parlé, n'est-ce pas, d'une épidémie. Mhm, mhm, ok, une épidémie qui a commencé en Chine. Et, puis ça, ça a évolué pour donner, n'est-ce pas, une pandémie. Et maintenant, on, va, on tend vers une endémie. Une endémie, ça veut dire que la maladie, elle est là, comme le paludisme. 12 mois sur 12. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que c'est quelque chose qui va qu'on peut éradiquer maintenant. Non, quand on parle de l'éradication, ça veut dire qu'on n'a aucun cas à l'échelle mondiale et pendant un, certain nombre de mhm. temps bien donné. Donc, ça, vraiment, je pense que, et voilà, on est en train d'aller, n'est-ce pas, vers euh, une endémie, mais avec la vaccination, ça va être comme les autres mhm. épidémies qu'on a l'habitude, n'est-ce pas, de, connaître. Maintenant, en réalité, vous savez, l'appel que j'ai à lancer, c'est surtout de faire extrêmement vigilant par rapport aux réseaux sociaux. Si on a eu des difficultés vraiment dans la lutte contre cette maladie-là, je vous dis quelque part, c'est les, qui sont animés de mauvaise foi qui ont eu à utiliser ces réseaux sociaux-là pour intoxiquer la population. Vous voyez, moi, j'ai vu même sur les réseaux sociaux, et quelqu'un, c'est un président, n'est-ce pas, de notre pays où les gens ont fait semblant comme si c'est, c'est un vaccin, qui vide, qu'on a injecté. Vous voyez, et les gens ont cru. Les gens ont cru. Vous voyez, non donc, eux, c'est des, des trucs qui, <laughs> voilà, et on est en train de vacciner la population pour pouvoir réduire, n'est-ce pas, et, comment dire, c'est une autre forme de planification familiale. Parce que mhm. c'est que les gens pensaient. Donc, je pense que les gens, il faut qu'ils fassent attention. S'il y a quelqu'un qui a perdu dans cette affaire-là, c'est l'État. Mhm. Parce que l'État a injecté des milliards. L'État a fermé des frontières. Vous voyez, quand on ferme les frontières, le coût que ça, impacte, l'économie, c'est l'économie. Parce que maintenant, les, matériels qu'il faut dédouaner. Mhm. Vous voyez Donc ça, là, c'est des mensonges. Je pense que les acteurs de la société civile le gouvernement doit continuer. Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, si ce n'est pas Covid, demain, c'est une autre. On ne le souhaite pas. Donc, il faut que les gens se préparent. Merci, merci. Il faut que les gens se préparent. Alors, vous, de votre côté, le roi Sen, comment vraiment consolider euh, la riposte à la Covid-19 ici bon, euh, De notre côté, je pense que euh, la consolidation par rapport à cette riposte, elle est simple. Hein. Mm. il faut que les Nigériens apprennent à vivre avec la Covid-19. Mm. Et pour ce faire, dans un premier temps, c'est d'aller se faire vacciner. Et si les gens savaient le coût de ces vaccins, comment on les amène dans le pays, et même certains vaccins comme le Pfizer qui nécessitent des équipements ultra performants mhm. et, qui ont en tout cas un coût, mais dont également le déploiement ne peut pas se faire partout, mais quand même le pays s'est positionné, il mhm. était en train de tout faire pour amener ce vaccin au plus près de la population, mhm. moi je pense que les gens doivent comprendre. Mhm. Il ne faut pas attendre que ce vaccin soit un... Parce que les partenaires qui nous appuient, ils n'ont pas que ça à faire. Mhm. Ils ont leur pays aussi à appuyer. Il y aura un moment où, c'est sûr, on va arrêter peut-être de rendre gratuit ces vaccins. C'est peut-être en ce moment seulement que les Nigériens vont comprendre que <laughs> c'est quelque chose d'important, puisque les gens ont tendance à croire que tout ce qui est gratuit, c'est quelque chose à banaliser. Mhm, mhm. Alors que l'État rend gratuit, prend des dispositions et les agents de santé prennent des risques pour pouvoir aller jusqu'au fin fond des contrées pour pouvoir vacciner les gens. Mhm. Mais le vaccin qui est là à côté, on refuse de l'utiliser. Alors que si on l'utilise, c'est pour se sauver, sauver son entourage et permettre d'avoir une immunité collective. Merci bien. Avant de terminer, une question, Monsieur Halarou, euh, la question des partenaires. Autant de partenaires appuient le Niger dans la question de cette riposte. Oui. Exactement. Mhm. C'est ce que j'allais dire. Si c'est mon dernier mot, mhm. permettez-moi de le dire. si cette lutte a été gagnée mhm. au Niger jusqu'ici, en tout cas en fonction de l'État que nous avons, c'est grâce aux partenaires avec leur appui. L'État a fait de ce qu'il peut faire, mais dans tous les pays du monde on ne peut gagner que lorsqu'il y a l'appui. Et donc, il euh, y a les partenaires, je ne cite pas leur nom, certains partenaires sont même dans le comité technique. dans chaque commission, là que je souligner, il y a un partenaire qui collecte. Donc ça, on ne peut pas le souligner, mais on remercie beaucoup les partenaires. Maintenant, je reviens à une question pour un peu préciser. Qu'est-ce que la carte numérisée que Madame déjà a parlé C'est en fait, quand on a conseillé les tests, les tests Covid même, euh, au niveau de la sous-région, dans beaucoup de pays, euh, on a vu des personnes qui nous viennent avec des, tests Covid qui ne sont pas des bons tests. Mhm. Ce qui fait que dans la sous-région, on a commencé à douter des tests qu'on donne. Finalement, euh, on, a dit il faut faire un test, un, un, un, code QR. Mhm. Et c'est un code QR, ça veut dire quoi C'est un code numérisé. Quel que soit là où tu pars, on, fait, on va voir autrement que, le laboratoire qui t'a fait cette Donc maintenant, quand la vaccination est arrivée, automatiquement la carte qu'on a donnée aux gens, c'est la, toute première. Là aussi, on a vu que c'est un carton juste. Mhm. Juste, il y a un, cachet, un, cachet, mais c'est un carton. Donc finalement, on a fait numériser. Là aussi, c'est un code. Quel que soit là où vous, vous êtes, ça va vous permettre à ce qu'on identifie que c'est effectivement un vaccin sûr comme vous avez fait au D'accord. Et donc, avant de clôturer, comme vous l'avez dit, la COVID-19 existe toujours. Rappelez brièvement les mesures. Euh, la COVID existe, existe toujours. et comme le dit le monsieur de Rosen, apprenons à vivre avec ça. Donc, d'abord, les signes. Mhm. Les signes, c'est quoi C'est comme tous les gens l'ont connu, la fièvre, euh, la toux et, vraiment la difficulté surtout à respirer. Mhm. Deuxièmement, les mesures que nous avons, elles sont là. Et la principale mesure aujourd'hui que tous les pays de la sous-région ont mis en avant, c'est la vaccination. Merci bien. Et madame, votre dernier mot rapidement euh, Mon dernier mot, c'est de. Je lance un appel vraiment à toute la population, à mm. tous ceux qui ne se sont pas encore vaccinés, vraiment de se rendre, de se faire vacciner, vraiment de bénéficier de cette vaccination qui est mm. gratuite, qui est disponible, n'est-ce pas au niveau des centres de santé de se renseigner et euh, d'avoir euh, son vaccin. Merci, merci, bien, chers invités, chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou, chers téléspectateurs et téléspectatrices. La COVID-19 existe toujours. Euh, beaucoup de mesures ont été prises par les autorités dans le cadre de cette riposte et ces mesures existent toujours. Bien que des, des avancées ont été enregistrées, cette maladie existe toujours. Il faut donc respecter toujours les mesures de barrières. Donc euh, c'est ici que prend fin ce forum. Nous étions en compagnie de Madame euh, déjà Maria Mahamidou de la direction des immunisations au ministère de la Santé publique. Merci d'être venu. Monsieur Halarou Cheibou de la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies. Merci aussi à vous. Nous étions également avec euh, Dr Sayo Formo, le secrétaire général de l'Association des jeunes médecins du Niger. Merci docteur. Et enfin, Monsieur Samuel Mamoudou, le secrétaire général du regroupement des eaux ONG et associations du secteur de la santé Roassen. Merci. bénéfice Adam Silfo à la modération, Amina Hassan à la technique et Seni Isaka à la régie vidéo. Au revoir.